lundi 4 décembre 2023, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par Abdelkader Chambiano et Fanta Chamsou à l'édition. Bonjour Rukaya, comment tu vas? Bonjour Salamatou, je vais bien et toi Ça va aussi, c'est parti pour 60 minutes d'émission et nous débutons par le flash. Ensuite, il y aura la rubrique hebdomadaire justice. Aujourd'hui, nous aborderons la question du divorce. La page e-sport, le portrait et le loti suivront après. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Dosso, plus précisément à Gaïa, pour évoquer les raisons qui poussent certains couples au divorce. Fidèles auditeurs, nous aurons également l'entretien avec Issoufou Abou Magaji il est le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines Hirsch de Maradi. Il nous parle de l'historique de la création de la ville de Maradi. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté par Rafika Etar. Bonjour Rafika. Bonjour Salamatou, comment vous allez Bonjour Rafika, quelles sont les nouvelles de ce matin Alors, euh, pour aujourd'hui, le Burkina Faso et le Niger ont, dans un communiqué conjoint signé le mercredi 29 novembre, décidé de se retirer de toutes les instances et organes du G5 Sahel. Le G5 Sahel était une organisation sous-régionale ayant pour mission de mutualiser les capacités et les moyens du Niger du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du, Tchad, enfin pour lutter contre le terrorisme. Après neuf ans d'existence, rappelle le communiqué des deux pays, les objectifs ne sont pas atteints. Pour le Burkina Faso et le Niger, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel encore moins accepter le dictat de quelques puissance que ce soit au nom d'un partenariat, je cite, dévoyé aux infantilisants qui nient les droits à la souveraineté de nos peuples et de nos États. Fin de citation. Les deux pays assurent maintenir leur dynamique de coopération, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel pour faire de l'espace sahélien un espace de souveraineté assumé pour la reconquête des territoires et la restauration de la paix et de la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération Bakaria Sangaré a reçu samedi 2 décembre les copies figurées des lettres de créance de Madame Kathleen Fitzgibbon, ambassadrice des États-Unis d'Amérique accréditée au Niger. Madame Kathleen Fitzgibbon prend ainsi fonction au Niger en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Niger. Nous sommes en train de déployer tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que les partenaires reviennent et qu'ils aient confiance à notre gouvernement et comprennent notre situation tout en acceptant d'aider le Niger à résoudre son problème qui est purement interne, mais pas en imposant des solutions, a déclaré le ministre nigérien des Affaires étrangères, malgré leur loi qui interdit au gouvernement américain de coopérer avec un régime militaire. Ils sont là et c'est à nous donc de les convaincre maintenant pour qu'ils sachent que les militaires ne sont pas là pour rester éternellement au pouvoir, a poursuivi le ministre Sangaré. Et enfin, en prélude au 37e anniversaire du volontariat placé sous le thème Le pouvoir de l'action collective, si tout le monde le faisait, le ministre d'État de l'Intérieur, dans un message livré hier, a indiqué que la journée vise à sensibiliser le public sur l'importance du volontariat sur la paix et le développement durable, mais aussi de rendre un hommage aux volontaires pour leur dévouement à l'action volontaire et à leur sacrifice. Le général Toumba Boubacar ajoute que si tout le monde s'engage à faire du volontariat, le monde serait un endroit meilleur et les opportunités illimitées pour le développement durable. La promotion et la valorisation du volontariat restent une réponse pertinente au problème de l'employabilité des jeunes diplômés, moyen efficace pour s'attaquer aux défis du développement. C'est tout pour ce flash de ce 24 décembre excusez-moi, de ce 4 décembre plutôt. <laughs> merci beaucoup, Rafika. Merci. <laughs> Chers auditeurs, suivons à présent l'entretien avec le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines, Hirsch de Maradi. Monsieur Issoufou Abou Magaji nous parle ici de l'histoire ou bien de l'historique de la création de la ville de Maradi. Mais en attendant, faisons bougeant d'abord nos auditeurs avec de la musique sous le son Soko Soso du groupe Dangana de Zander. On est macumba. Dangana est une formation musicale de Zander qui produit de la musique tradie moderne. Le groupe a été créé en 2003 avec à son actif deux albums. Le premier sorti la même année et intitulé Sakidamo et le second Soko Soso quatre années plus tard en 2007. cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio pour la première partie de notre entretien avec le directeur de l'IRCH Maradi, Institut de recherche en sciences humaines, M. Issoufou Abou Magaji. Il nous parle de l'histoire de la création de la ville de Maradi. Monsieur Magaji, quel est l'historique de la région de Maradi La région de Maradi fait partie de ce qu'on appelle les sept États Hausa, fondés par les sept fils de Magaja Dorama et de Bayajida. Donc euh, les sept enfants ont fondé les sept États ça. dont Katina et la capitale est Maradi. Donc euh, le fondateur de Katsina s'appelait Kumayo. Il a fondé Katsina en 665. Le sultanat de Katsina a connu trois dynasties la première dynastie fondée par Kumayo. Et en 665, elle a pris fin en 1348. La deuxième dynastie est fondée par Mahamankoro. Et la deuxième dynastie fondée par Mahamankoro a pris fin en 1806 avec euh, le jihad d'Ousmane d'Anfodou. Donc les données géopolitiques été changé avec l'avènement du djihad d'Ousmane Danfodou. Quand Ousmane est venait dans un État, il euh, destitue le souverain, les autochtones, et il les remplace par les Peuls, acquis à sa cause djihadiste. C'est ce qui a été fait à Kassina Maradi en 1806. Donc je vous je disais que la deuxième dynastie fondée par Mahomet a pris fin avec l'avènement de ce djihad. Et le sultan qui régnait, c'était Magajan Haledou. Donc Magajan Haledou a été remplacé par le peuple Omar Delage, qui est assisté par Mani Acha. Donc ce sont des peuples. Ils euh, régnaient sur le Kassina Maradi. Bon, à ce temps-là, il terrorisait la population. Il prélevait des taxes. Il euh, faisait travailler la population, les travaux forcés. Il abusait des femmes. Donc les Kessna ont vu que cette situation ne leur était pas favorable. Et ils ont décidé de, se révolter. Donc... Euh, la révolte a été organisée par un comité de six, guerriers. Et parmi les six guerriers, il y a Bariki. Bariki, c'est le propriétaire de Gaon Bariki, dont on a un morceau ici à l'Irche. Et toutes les réunions qu'ils ont eu à tenir, ils ont fait ça sous ce Gao-là ils ont décidé de tuer les représentants de Ousmane Danfondi. Donc, euh, c'était lors d'une prière de vendredi. Parmi les six rebelles, on peut les appeler, parmi les six rebelles, il y avait Gadabo. Donc, c'est Gadabo qui s'est chargé de décapiter Imani Acha, le peuple. Donc, euh, quand il avait décapité la tête de Maniacha, il a lancé le cri de la révolte. Il disait Damungadabu. Donc, euh, il a donné le coup d'envoi de la révolte. Et la guerre a commencé entre les Kesnawa et les Peuls. Ils ont chassé les Peuls et ils ont fait appel au prince Angasawa qui s'était exilé à Damagaram. Donc, Dankasawa euh, était revenu pour fonder la troisième dynastie. Donc, c'est jusque-là, c'est cette troisième dynastie qui règne sur le Katsina. Chers auditeurs, avant de poursuivre avec l'histoire de Maradi, écoutant Dandi de Feu Hamso Garba, nous faisons un clin d'œil à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté du Dandi. Hamso Garba est une grande cantatrice. Elle nous a quittés il y a environ un an, mais ses œuvres demeurent immortelles. Ses chansons portées sur des thèmes traditionnels, l'amour, la religion, ainsi que la santé. Outre le chant, Hamsou, en tant qu'interprète, a beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest. Elle a été rappelée à Dieu le 5 décembre 2022 à l'âge de 63 ans. Paix Chers auditeurs, c'était Dandy Boré de Hamsou Garba Ruki. Poursuivons la deuxième partie de notre entretien avec le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines, M. Issoufou Abou Magaji. Ici, il nous rappelle l'origine du nom Maradi. D'où vient le nom Maradi et qui signifie Maradi Donc, ça était revenu pour conquérir et Katsina. Et dans sa route de conquête, il disait ceci, c'était en Hausa, l'autre Kasena du Nigeria, de rester ici avant que notre objectif, objectif c'est ça Muradu, avant que notre objectif soit atteint, c'est ça Mouradou. c'est du vocable Muradu que Maradi eh, a vu <laughs> le jour quoi, le nom Maradi est sorti. Qui a fondé la région de Maradi Oui, le fondateur de Maradi, Kasina, c'est Dankasawa. Il a fondé Katsina en 1807. Voilà. Et c'est la troisième dynastie de 1807 à nos jours. Il y avait 24 euh, sultans qui ont régné. Qui sont les premiers habitants de Maradi, les autochtones oui, les autochtones, ce sont les Katsinawa. Et Maradi a la chance d'avoir deux sultanats côte à côte. Il y a le sultanat de Katsina et le sultanat de Gobir. Donc le Katsina est constitué essentiellement de Katsinawa et le sultanat de Gobir de Gobirawa. Mais il y a d'autres communautés. Il y a les Peuls, parce que dans chaque chefferie, vous allez trouver le chef des Peuls, Serkin Fulani il y a le chef des Touaregs, zongo, il y a des Arabes, il y a les Kanouris, il y a les Bororo en Maradi. Comment les autres ont regagné la région de Maradi Et bon, la région de Maradi, c'est une région favorable. Elle fait la jonction entre le Sahara et la zone soudanaise. Donc euh, au nord, c'est favorable à l'élevage. Et au sud, c'est favorable à l'agriculture. Donc toutes euh, toute communautés se retrouve. Les agriculteurs, les éleveurs et les sédentaires, les nomades. Voilà. Quelle est la place de Maradi ou l'influence de Maradi sur les autres régions frontalières Maradi, c'est, comme je vous ai dit, c'est la jonction entre le nord et le sud. Ceux du nord viennent pour chercher ce qu'ils n'ont pas. Et ceux du sud aussi vont au nord pour chercher ce qu'ils n'ont pas. Et dans le temps, c'était le commerce transsaharien. Donc euh, Maradi est un point focal. Hum, si vous regardez la cartographie de Maradi, il y a assez de cours d'eau. Donc toutes ces caravanes-là sont obligées de faire escale à Maradi pour abeuvrer les, les chameaux. Ce qui fait que Maradi est un centre. C'est ce qui a fait développer et, le commerce de la région de Maradi. Une dernière question, pour conduire Maradi est la capitale économique La transsaharienne passe par Maradi et ceux qui quittent le Sahara pour aller à Kano sont obligés de passer par Maradi. Ils amènent le natron, les sels, les dates du nord et pour les ramener au nord donc euh, la capitale, euh, et c'était le centre, c'est le centre du Kano, c'est le point focal et de tout le commerce transsaharien. Et du Kano, ils achètent euh, les tissus, tous les autres matières qu'ils n'ont pas. Ils ramènent à Maradi et ils, continuent. C'était l'historique de Maradi avec M. Issoufou Abou Magaji, directeur de l'IRCH de Maradi. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire Justice que nous propose Tarnan Foudé Ahmed. Aujourd'hui, la rubrique est consacrée à la dissolution du mariage, ce qu'on appelle communément divorce. Au Niger, ce sont surtout les femmes qui intentent les actions en divorce, les hommes usant la plupart du temps de la répudiation. Pour mieux comprendre ce sujet, suivez les explications de Maître Abdelrazak Mahazou, doctorat à l'Université de Ouagadougou, dans cet entretien réalisé par Tarnan Foudé Ahmed. Le divorce, c'est la dissolution d'un mariage valable prononcé par une autorité judiciaire à la requête de l'un des époux. Quelles sont les causes qui peuvent justifier le divorce en droit nigérien Les causes du divorce varient selon qu'il s'agit d'un mariage civil ou d'un mariage coutumier. Dans le mariage civil, il y a ce qu'on appelle les causes péremptoires. Ce sont des causes qui s'imposent au juge. En présence de ces causes, le juge n'a pas un pouvoir d'appréciation, il doit prononcer le divorce. Il s'agit de l'adultère, qui est le fait d'entretenir une relation intime avec un tiers pendant le mariage et en connaissance des causes Et il s'agit également de la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante. Au sens du code pénal, les peines afflictives ou infamantes sont l'emprisonnement à vie, la peine de mort et l'emprisonnement de 10 à 30 ans. Maintenant, à cause de ces causes péremptoires, vous avez les causes non péremptoires qui laissent au juge un pouvoir d'appréciation. Il s'agit euh, des excès qui se rapportent à la violation des droits et obligations du mariage. Il s'agit aussi des sévices qui sont des violences et des voies de fait qui sont exercées par l'un des époux contre l'autre. Il s'agit enfin des injures qui sont constituées des termes de mépris, des injures. Quelles sont les causes des divorces dans le cadre d'un mariage coutumier Les causes du divorce dans le cadre du mariage coutumier peuvent être regroupées en trois catégories. Vous avez le divorce faute qui résulte soit de l'insoumission de la femme ou de l'inégalité du traitement des épouses par le mari, bien évidemment dans le cadre d'un mariage polygamique, où une femme sort du domicile conjugal sans l'autorisation du mari. Vous avez le divorce demandé par la femme et accepté par l'homme. Ici, c'est la femme qui intente l'action en divorce devant le juge. Elle convoque son mari. Son mari est comparé à l'audience et déclare eh, qu'elle accepte le divorce. Dans ces cas, le juge prononce le divorce. Vous avez eh, toujours dans le cadre du mariage coutumier le divorce pour rupture de la vie commune en cas d'absence prolongée du mari pendant un certain temps. Certains considèrent que six mois suffisent, d'autres un an, d'autres plus. En tous les cas, ici, il faut eh, qu'on s'assure que le mari n'envoie rien à sa femme pendant tout ce temps d'absence. Et il peut également s'agir d'un événement qui fait obstacle à la vie commune, par exemple en cas de maladie contagieuse ou en cas d'impuissance du mari ou en cas de stérilité de l'un des conjoints. Quelle est la procédure à suivre pour exercer l'action en divorce devant les juridictions compétentes La procédure pour intenter une action en divorce varie selon qu'il s'agit d'un mariage civil ou d'un mariage coutumier. Dans le mariage civil, la demande doit être formée par requête au président du tribunal de grande instance dans les régions ou au président du tribunal d'instance dans le département. Et l'époux qui prend l'initiative doit présenter sa requête en personne et à l'écrit en exposant les motifs et les causes du divorce qu'il invoque. Dans la coutume, la femme introduit sa requête auprès du juge compétent par simple déclaration. Le juge donne convocation à l'autre partie, donc euh, pour comparaître à la date et à l'heure qu'il indiquera. Et dans la coutume, le juge compétent est le juge chargé des affaires coutumières près les tribunaux de grande instance dans les régions ou les juges des tribunaux d'instance dans les départements ou à Niamey, les tribunaux d'arrondissement communaux. Quels sont les critères qui permettent d'établir la garde d'un enfant en cas de divorce Les critères qui permettent euh, au juge de confier la garde des enfants en cas de divorce sont aujourd'hui réglés par la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. Il faut dire qu'avant cette convention, dans le mariage civil, la garde de l'enfant est attribuée à l'époux innocent. Et dans le mariage coutumier, la garde de l'enfant est confiée en fonction de son âge. Mais comme je le disais tantôt, cette matière, donc la garde de l'enfant est aujourd'hui réglée par la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 qui est désormais à uniformiser la règle de protection et de l'enfant. Et c'est cette convention qui fait autorité. Et selon cette convention, toute décision administrative ou judiciaire, ici donc, et même la garde de l'enfant et incluse, doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être interprété en fonction de la protection, de la position matérielle des parents, mais elle peut être interprétée la possibilité de l'épanouissement de l'enfant que l'un ou l'autre des parents, et surtout en fonction de la moralité des parents. Il faut ici préciser que l'intérêt supérieur de l'enfant peut exiger que la garde soit confiée à un tiers, donc à une tierce personne. Et c'est la convention de droits des enfants qui s'applique et les juges doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Fidèles auditeurs, marquons une pause, une courte pause musicale avec le titre Mayrabo de Mr. Cal en featuring avec Slim B. I can't imagine me else if not with you. I can't imagine being here without you here with me. The reality of my dreams is standing next to me. Having you in my life, it is the greatest gift of all. Naganeki arinya, Santana kekyawa. Naganeki arinya.

raison. Satan a tes parties sans amour. Tu es ma raison. Sans toi, ma vie n'a rien de beau. M'imaginer sans toi, je ne vais pas. Ton amour m'a rendu fou fou. Je te l'avoue, je t'aimerai jusqu'au bout. Sans toi, ça bien sans moi. Je ferai ta joie. Car et de son vrai nom, Ousmane Abdraman Mahmoudou, a commencé la musique rap véritablement au début des années 2000 et ses œuvres en Hausa et Zarma. La première sortie de l'artiste dans son nouveau style était une réussite inattendue dans un duo avec un grand artiste nommé Slim Mobi où ils ont chanté le titre intitulé Courage, une chanson que les Nigériens ont beaucoup appréciée du fait que les paroles de la chanson sont pleines de sens et d'espoir. Karl a continué d'émerveiller son public dans son nouveau style musical avec des chansons comme Si, Karki Barni, Mayrabo, Yara Kankana et Danseur. Aujourd'hui, on peut dire que la guitare a vraiment changé Elle est devenue sa source d'inspiration, sa compagne et son arme. Il ne s'en sépare jamais. high. de Karl et de Slimby, chers auditeurs, à direction, direction région de Dosso, plus précisément à Gaïa pour l'écho des régions. Oui, moto au Niger, euh, en dépit de la sacralité du mariage et aussi les dépenses exorbitantes lors des cérémonies, nombreux sont les mariages qui sont dissous. Notre correspondante de Gaïa, Ramatou Issa Wanke s'est intéressée au sujet. Voici ce qu'elle nous rapporte dans ce reportage. Bien des raisons sont à la base du divorce au Niger, des petites disputes aux incompréhensions dans les foyers. Mariam, une habitante de Gaïa, elle impute la faute à la femme Selon elle, nombreuses sont celles qui ne prennent plus soin de leur apparence après le mariage. Wata mace idan tana waje za ki dinga ganin ta tana ado, tana kwalliya, tana kama jiki. Kullum lalle, kullum gyaran huska, kullun gyaran jiki. Namiji in ya zo ya aure ta ya kawo ta gidan sai kuma ya ga kwana biyu ba haka ba ta canza. Kazamtan mace na iya sa mijinta ya sauya mata. Rashin gyaran jiki yana sa mijinta ya sauya mata. Rashin iya kalamai na sa haka nan. Rashin iya abinci ma yana sa namiji Leila et Aishatu, elles jettent la pierre aux hommes. Elles pensent que ces derniers jours double jeu lorsqu'ils courtisaient les femmes. huskar neman yarinya daban huskar zama da matan aure ma daban yawancin mazan in kina waje suna nuna miki cewa babu kamar babu ta biyunki Ana ana tarire ki ana miki komi ba a san ma abin da ya taba kina dai kwai amma in kika shigo cikin gida sai ki zo ki isko sabanin haka dan abin da ake miki waje yawanci ban ce duka ba amma yawancin duka haka kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mata suke dekuraje suna ma tambayar wai shin anya ko wanda na soya da shi ne na arma kudin kamiya kawai da za ka kawo ka aji kuma kana so wai ka gama takka kamanda impossible dole ne sai ka kawo mata kudi ko da ba da yawa bane hakan ga da ka kawo kudi na savon na siyo kaya tana kwalliya da abin ga gyara jikin kuma aka ce hannu biyu suke wanke shi baka kawo mace ka aji ta kace ba ta aiki kuma kace baka edanta impossible bai haka les hommes quant à eux ont des avis divergents

namiji ya kula ma mata dole ne ita matan za ta kama jikinta amma in babu soyayya to ita mace sai ta hudda zuciya ma ga wani kama jiki ko menene amma in ana gwada ma mace soyayya lokacin nan ne za ta ji karhi ta yi wanka ta yi sabta ta sa kaya na kwarai kuma me yasa suke aure mazan ba su gwadin soyayya tunda a nan addinin musulunci ya hana a yi zina selon Sheikh Ismail Jibril Karanta le président de l'association islamique du Niger la pauvreté les mensonges font partie des principales causes des divorces Environ 600 cas de divorce ont été enregistrés par l'Association islamique du Niger du 1er janvier au mois de mai 2022. Un chiffre loin de représenter l'intégralité des divorces prononcés par les autres organes coutumiers et étatiques. Ramtissa Onke, Studio Kalangu, Gaya. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour Salamatou, bonjour Ruki. Bonjour Grouza. Grouza, la Super Ligue de football du Niger se poursuit sur les différents stades du pays. Oui, Salamatou, on connaît à présent les résultats de la troisième journée. Tagour de Dosso dispose de l'Urana Darlit sur le score d'un but à zéro. C'est d'ailleurs euh, la première victoire euh, de l'équipe euh, provinciale. la Nigelec dispose de l'Akoukaner d'Arlit à Niamey sur le score d'un but à zéro. Espoir de Zender a été cueilli à froid à domicile par la gendarmerie sur le score d'un but à zéro. Les jaunes noirs de Zongo, le Zumunta, a été donc tenu en échec par la GST, la GST Ténéré de Tawa sur le score de 3 buts à 2. 3 buts à 2 également entre l'AS Douane contre AS Police à Niami. Le match AS Fan Liberté s'est soldé sur le score de 2 buts à 0. Match nul 1-1 entre le Sahel et l'Olympique. Nous attendons le classement provisoire de la troisième journée avec la Foot dans les heures à venir. Mais l'AS Fan garde sa place de leader grâce à sa victoire devant le Liberté. 6 points, si vous vous rappelez, lors de la deuxième journée sur 3 points qu'elle a gagné euh, la troisième journée. Donc les militaires totalisent 9 points. Gourouza, nous partons pour Agadez euh, pour parler de la boule. La boule, la pétanque. Oui, pas la boule comme euh, le ou bien le dounou, Gourouza, <laughs> mais de la pétanque. Voilà, la deuxième édition de la Coupe de la pétanque dédiée au maire président du conseil municipal de la commune urbaine d'Agadez à Abdraman Tourawa a été remporté par le club de la MJC d'Agadez. La première, la troisième, la quatrième place ont été raflées par ce club. La deuxième place a été remportée par le club Achak. Il a il faut noter qu'il y a eu euh, quatre clubs qui ont participé à ce tournoi et quelques 30 joueurs se sont affrontés tout au long de la journée du samedi 25 novembre. Oui, Salamatou, euh, nous allons parler du Mali quand même. oui, le Mali remporte la troisième place de la Coupe du monde de football des mondes de 17 ans. C'était contre l'Argentine le vendredi 1er décembre en Indonésie. Les Maliens ont battu l'Argentine euh, sur le score de 3 buts à 0. Les buts ont été marqués par Diara, Doumbia et Makalou. Notons que le Mali a été éliminé par la France en demi-finale et la finale opposera l'Allemagne à la France. Voilà pour le soir. Merci beaucoup, Grouza, chers auditeurs. Ruki, la rubrique portrait de ce lundi 4 décembre nous amène dans une exposition d'art plastique à Niamey pour vous présenter une jeune femme peintre. Initialement diplômée en anesthésie réanimation, Leila Halidou est aujourd'hui la responsable de la galerie, galerie Leilou Art. Mariam Adey l'a rencontrée. Bonjour madame, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Mon nom c'est Madame Idé Leila Halidou. Je suis artiste peintre. Euh, j'ai commencé récemment, euh, juste euh, à peine deux ans que j'ai commencé à peindre. Et voilà l'aventure a commencé comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir peintre C'est une passion, tout simplement. Et à travers la peinture, je m'exprime beaucoup. je raconte mes ressentis. je raconte aussi celles d'autres femmes, leurs luttes. Et j'essaie de, de réclamer leur force qu'on essaye de, de cacher, je, je dirais. J'ai envie que les femmes viennent et qu'elles se reconnectent à leur souveraineté et à leur force. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans ce métier Oui, les difficultés sont nombreuses parce que c'est un métier, le métier de l'art euh, ici euh, chez nous, il n'est pas vraiment reconnu. D'ailleurs, il n'est même pas considéré comme un vrai métier. Donc, euh, on considère que tout ça, c'est une question de temps, ça va passer. Ici, on voit beaucoup de, il y a beaucoup de retours positifs, donc euh, c'est bien, c'est encourageant. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit des femmes moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes d'ailleurs, que ce soit de l'art ou quel que ce soit, si vous avez une passion, allez-y le chercher. Voilà, n'attendez pas que quelqu'un approuve ou quelqu'un vous pousse, mais quand vous voulez quelque chose, allez-y le chercher vous-même. Vous avez fait les études dans quel domaine J'ai étudié dans le domaine de l'anesthésie et la réanimation. C'est un, domaine qui me passionne beaucoup. Mais l'art, c'est vraiment, je dirais que c'est le domaine de, mon talent, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes mariée avec des enfants. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts Bien sûr qu'il y a des difficultés parce que c'est un challenge pour moi. Il faut gérer d'abord euh, le foyer, d'abord le boulot, ensuite euh, la passion. Mais quand on dit à un enfant venez chercher les bonbons, mais lavez-vous les mains d'abord, il se fait rapidement. Donc <laughs> naturellement ça vient. Quel est le nom de votre entreprise Lou Art Gallery. Alors Lou c'est un nom que les copines m'ont donné. <laughs> Mon nom d'artiste, c'est Leila Halidou. C'est avec ce nom que je signe partout. Mais la galerie, par exemple, Lou Art Gallery, c'est ce que j'ambitionne de faire plus tard. Créer une galerie d'art qui va permettre aux gens de venir exposer leurs œuvres et de faire la promotion. Chers auditeurs, reportons en musique avec Mongo du groupe Orco 5. తల్లి గాసై మగాసై పాలిగంగా da hami yendi zakaragi wanda yayi mana banna gawai bare wanda yayi mana banna yansala wanda yayi mana banna lazare wanda yayi mana banna bukwaci wanda yayi mana bannu ko marshe wanda yayi mana banna libere sai wanda yayi mana banna gamgala bare wanda yayi mana banna tallaki wanda yayi mana banna kasu wanda re wanda yayi mana banna are boru wanda yayi mana banna bangu bana wanda yayi mana banna wanda ya makamaki yayi mana banna wanda ya bana bani yayi mana banna wanda kira jo sai mana banna ai duwai bi lai ga bai masa bai ga bai mu kwai bo rai ga bai mai kurba kurba bana tai ga bai mai lafa yi zabana ham ai ba tungu zurgu de garaga makar gine makar banda ai bo ganda no ga digande bani ki ganda no gu bor sere hiro kinu wandi ya sere ga wai kwara windi bo mega dodi ni na wandi ya sere canta kai su gogi hin kurku bare ci su gogi hin sibi sama kwakuta kumota rawiza gundu no masiba ga ai na gullu samu chekapa yimo duma wowa inongo bama yingo adina yingo inongo patinra samai ai duwa inongo ai duwa bilo ai duwa inongo ai duwa C'était le son mango du groupe Orco 5. On passe à la rubrique Lotti qui nous parle des soins corporels. Pour se sentir belle, bien dans sa peau et plaire à son conjoint, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est possible. Les avec Rabia Meikano et Hawa Ousmane dans notre rubrique Lotti. Mas olha que giro! wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tun da kana shiga mutane kana tahiya sabga jikinka yana wani iska mara daɗi hmm. abun kuma yamma kana da hormon gida na gudunka yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahi da mara har da yamma ai wankan wannan kaɗai bai ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsaman ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga kite ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm. babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin jikin ki lalle gora ce mini sai kuri a'a kawale na ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwan ki aujourd'hui pour la culture linguistique, nous sommes avec Jacqueline Dalton, la responsable éditoriale et de la Fondation Hirondelle. Nous allons découvrir ensemble le mot du jour dans cette rubrique. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Il y a deux semaines, nous avons parlé du mot I'm. I'm. Un mot qu'on utilise pour parler de soi-même. I'm Jackie, je suis Jackie, I'm hungry, j'ai faim. I'm sad, je suis triste. Maintenant, comment dire vous êtes ou tu es C'est your. C'est your. Yo Olivier. Tu es Olivier ou vous êtes Olivier. N'oubliez pas qu'en anglais, on ne fait pas la différenciation entre vous et tu. You, ça s'utilise pour tout le monde. Et you are, vous êtes, dans la langue parlée, ça devient souvent your. Your. You're 20, vous avez 20 ans. You're tired, vous êtes fatigué. You're angry, vous êtes fâché. You're from Niger, vous êtes du Niger. À vous maintenant, savez-vous comment dire tu vas bien. You're fine. C'est your Comment dire tu es triste? You're sad. You're sad. Comment dire tu es mon ami? You're my friend. You're my friend. You're, that was today's English word. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en german, en tamashek ou en fulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Salam, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Je me nomme Monsieur Touré Abdelaziz Zakou, directeur école Windé. Franchement, Studio Kalangu unifie les gens et ça les donne beaucoup d'informations par rapport à la situation du pays et comment vivre même socialement parce que c'est des choses que les gens sont en train de faire. Mais avec euh, Studio Kalangu, on arrive à toucher toutes les couches chacun doit savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, euh, premièrement, je salue ma vieille maman, elle est à Niamey. Je salue mes frères et je n'oublie pas mes deux femmes à ah, Balayara. Aïno Moulay Moussa Kansigene Moulay Damalam Winditan. Balayara, Wallahi Estudio Kolangu, Irgogo Makani Gumo. Zamir wo bon fiera ka Irgogo Duaga, Zati Dinge Eroto, Irsi Hangan Haikul Kade Dabian, Irgogo Makani, Gumu Gumu Manchikaina. Radio wo Kayen Kaka Sohon Kade Bon Fiere Kirgudu Watukulu. Wodim Ban banda irga fo zada ba wa kan dirse rajiya ne wa ka kalangu goi tere ai gani fo ay bani ha fo kan go arlit sale alu sabar mo sai kango goyo te mat kan kina hima alai salisu wanda aka sani da alai salisu mai albasa batun abun ga studio kalangu gaskiya asuman eh, sai dai mai fatan ubangiji Allah shi kara daukaka kuma da fatan alheri eh, ina sauraren su kai da kafa fi sabilillahi saboda duk abin da shi kaga kan matasa kan mi duka ina biyar da duk abubuwan da ka gudana suna fahimtar da mutane kuma kamar makaranta ce ma in kaddiba game da harkar nan na studio kalangu saboda abubuwa diya wanda suka yi na tsare-tsare wanda ba yaro ba ba latizo ba duwar kake kana karuwa da shi to bisa wannan sai dai mun fatan jinjina da fatan ubangiji Allah shi kara ma wa'anda suka yi wannan tsari eh husaha na kara wannan shiri. Amina Galangu gaskiya alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin shi Allah abu yi. Allah ya taimaka gaskiya shirin yana ƙatarwa al'amuran ma gaba ɗaya suna birge ni gaskiya muna jin daɗi wallahi karhe biyar zuwa karhe bakwai na mari eh, alhamdulillah wallahi auditeurs, c'est ici que prend fin notre émission Le Niger sur Kalongo. Vous étiez en compagnie de Rukayoto Abdraman et Salamotou Kadri. Rendez-vous demain dès qu'il sera 11h. Excellente journée à vous. Bye bye.